auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu de ce jeudi 9 mars 2023. Je suis Fanta Chamsui avec moi Ali Munkeila Ousseini, notre Seno 50%. La technique est assurée par Amina Hassan et Adam Dawaki à l'édition. Bonjour Seno. Bonjour Fanta. J'espère que tu vas bien. Je me porte merveilleusement bien et toi ça va Ça va, alhamdulillah. Super, alors Fanta, quoi de neuf ce matin Ce matin Seno, il y aura le flash d'information Ensuite, nous parlerons des activités pratiques et productives à l'école dans la rubrique éducation, puis direction d'outils pour le reportage région qui nous parle de l'impact du petit commerce sur les études des jeunes filles. Et oui, sans oublier aussi hein, la page sport qui sera servie par notre chroniqueur sportif Guruza Hasumi. Karimou et de la culture linguistique en français et en fulfulde pour expliquer le mot autonomisation. C'est avec Abdul Moumouni Ali Niali. Et comme invité, Ousmane Mamoudou, le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangou, sera avec nous dans quelques instants pour parler de chat GPT. Pour faire court, c'est un programme informatique établi à partir d'une intelligence artificielle. Waouh, trop fort ça <laughs> T'inquiète, c'est juste une impression. Allez, c'est parti Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes en compagnie de Ali Tajissir Ahmed pour le flash d'information. Bonjour Ali. Bonjour Fanta. Alors, code 9. Euh, aujourd'hui, nous allons commencer par euh, cette annonce du ministère du Commerce qui a fixé le prix du pèlerinage à la Mecque, les Hajj de l'année 2023, à un peu plus de 3 600 000 francs CFA, soit une hausse de près de 300 000 par rapport à l'année passée. Cependant, le ministre a précisé qu'il s'agit du prix plafond et applicable sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, les autorités saoudiennes ont attribué un quota d'environ 16 000 pèlerins à l'État du Niger sans restriction d'âge. Euh, le corps électoral pour les élections législatives partielles de la diaspora est convoqué le 18 juin prochain. Un décret signé hier par le président de la République, Bazoum Mohamed. Ainsi, la campagne électorale débutera le 27 mai et prendra fin le 16 juin. Pour ces élections, plus de 200 000 Nigériens à l'étranger sont inscrits sur la liste électorale à travers 15 pays pour se faire représenter avec 5 sièges à l'Assemblée nationale. Nous terminerons par cette saisie de drogue à Gaïa. Une dizaine de boules de cannabis de plus de 7 kg a été saisie mardi à Gaïa par la police frontalière. Selon le préfet du département, le suspect en provenance de Ghana a dissimulé cette drogue dans un sac de voyage. Plus de détails dans l'édition de ce soir. D'accord, Tajissir, merci beaucoup pour toutes ces informations. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Ousmane Mamoudou, le responsable de notre équipe numérique. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous. Comment tu vas Ça va. Alors, ce matin, avec vous, nous allons parler de l'intelligence artificielle, le chat GPT. Mais avant, nous allons d'abord souffler en musique, n'est-ce pas, c'est nous Bien sûr, Fanta, cher auditeur, le Niger sur Kalangu, c'est aussi une bonne dose de musique 100% nigérien. Et pour cela, je vous invite à, savourer ce son, Hairei, qui signifie parent de Burema Disco. Birei qui signifie tout simplement parents, c'est bien évidemment le titre de ce morceau chanté par l'artiste Bourema Disco pour attirer l'attention des jeunes sur l'importance du respect des parents afin de bénéficier de leur bénédiction. L'artiste Seino Bourema Disco fait partie des artistes les plus inspirés de sa génération. Il chante avec beaucoup de pudeur et il a à son actif plusieurs albums dont entre autres Gahambani, Timi Wandu. Alors, euh, après cette euh, pause musicale, chers auditeurs, il est temps pour nous, hein, n'est-ce pas, euh, de nous entretenir avec notre invité du jour. Il s'agit bien de Ousmane Mahmoudou, le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangu. Ousmane, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, c'est nous. <laughs> Alors, Ousmane, avec vous, nous allons parler de chat GPT. Ousmane, qu'est-ce que c'est Alors, pour toutes les personnes qui n'étaient pas dans une grotte il y a encore quelques mois, je pense que vous vous avez en tout cas entendu parler de cette application. ChatGPT, <laughs> ça a tellement fait le buzz sur le web et partout sur Internet. C'est un, en fait, ChatGPT, c'est un outil euh, conversationnel. Donc, c'est un chatbot qui a été lancé en novembre 2022 euh, par euh, l'entreprise OpenIA, donc qui est une entreprise américaine qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et donc, ce chatbot-là, c'est juste un agent conversationnel. Voyez-le vraiment comme un fil de discussion, comme si vous étiez en train de discuter avec un ami sur une application classique. Sauf que là, euh, vous posez des questions, n'importe lesquelles euh, que vous lui posez, il va vous répondre dans un langage naturel. Mais euh, à quoi ça sert vraiment Alors, ChatGPT, comme je l'ai dit, ça sert vraiment à donner des réponses textuelles avec une rapidité déconcertante sur toutes les questions que vous pouvez lui poser. Et les réponses qu'il va apporter, elles sont, il va vraiment essayer d'imiter un maximum le langage humain. D'habitude, les chatbots, ils ne sont pas comme ça. Très souvent, quand vous partez sur un site, quand vous commencez à converser avec euh, un chatbot, un programme informatique fait pour ça, vous allez vous rendre compte que c'est assez répétitif. Vous devinez vraiment que c'est des réponses programmées. Vous pouvez nous donner euh, un exemple de chatbot, comme vous dites en dehors de OpenAI Alors bon, les chatbots, en fait, il y en a des millions peut-être. Hein. Il n'y a pas un exemple type. C'est quand vous, partez, par exemple, sur un site euh, classique de vente d'un produit en ligne ou d'information. Ah, Souvent, vous allez avoir... Euh, qui sont à enregistrer. Exactement. Souvent, vous allez avoir une petite bulle en bas de, de, de l'écran qui peut vous demander Comment puis-je vous aider En fait, c'est juste ça le, chatbot. Donc, c'est un petit programme qui va essayer d'apporter des réponses euh, en fonction de ce que vous pouvez demander. Et donc, l'AI, c'est un peu plus révolutionnaire. Oui, mais donc, ChatGPT, vraiment, il est super révolutionnaire parce qu'il va apporter des réponses. Vraiment, vous n'aurez pas l'impression que c'est un robot qui vous répond, vous aurez l'impression que c'est une personne derrière qui est en train de rédiger les réponses. Et ça concerne vraiment tous les domaines, que ce soit la littérature, la science, l'informatique, la programmation, l'architecture, la cuisine, ça propose vraiment tout un panel de réponses assez incroyables et, c'est dû au fait en fait que euh, cet outil-là, il a été développé par une intelligence artificielle, donc il a appris hmm. par lui-même euh, sur un grand nombre de documents. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, euh, Wikipédia que tout le monde connaît, Wikipédia, ça représente 0,6% euh, des documents que ChatGPT a avalés, a lus pour vous donner des réponses. <laughs> Mais est-ce que cela ne va-t-il pas impacter le monde de l'emploi Alors oui, forcément, il y aura des, des impacts dans le monde de l'emploi. C'est clair que tous les métiers aujourd'hui purement rédactionnels, ils sont quelque part menacés. Bon, pas menacés, mais en tout cas, ils vont se poser des questions. Alors, il y a plein d'emplois qui vont disparaître, c'est clair. Donc, il y a plein d'études qui ont démontré ça bien avant ChatGPT que l'informatique, ça a été, c'était en train de révolutionner. Donc, il y a plein d'emplois qui vont disparaître. Rédaction. On parle même de la programmation informatique parce qu'il est capable de vraiment générer du code qui fonctionne plus ou moins bien. Mais il va aussi contribuer à créer de nouveaux emplois. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prompt engineering, c'est-à-dire de, euh, il y a aujourd'hui un métier qui est en train de se développer, c'est-à-dire comment vous faites pour parler à une intelligence artificielle pour mm. qu'elle vous donne les réponses les plus efficientes possibles. Ah mais parce qu'il y a des méthodes précises pour ça. Voilà, en fait, il y a des requêtes, c'est pas comme sur Google euh, où je pars, euh, je tape deux trois mots clés. Mhm. Donc sur ces outils-là qu'on va appeler des intelligences artificielles génératives, donc il n'y a pas que ChatGPT, il y a par exemple Midjourney qui va cette fois-ci générer des images. Mm. Mais quand j'interroge ChatGPT, par exemple, pour me rédiger un article sur un sujet précis, ben, je peux partir de la façon la plus classique, rédige-moi un article sur ce sujet. Mais il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des petits hacks, c'est-à-dire des petites méthodes, en tout cas qui permettent de mieux parler à cette intelligence artificielle pour qu'elle vous comprenne le mieux et qu'elle vous génère donc le texte que vous attendez d'elle. Merci euh, Ousmane avant de continuer cet entretien, nous allons encore souffler en musique, n'est-ce pas, Sienno Oui, euh, Fanta, et pendant ce temps, chers auditeurs, je vous propose une petite balade en musique avec le groupe euh, Berekwei qui nous chante Unité. Yo, Message universel, message yo semutaka kamusanane samtada kamu chumuchi chumuchi yaki samana chumuchi chumuchi yaki yo lesa lesa lulite Voilà, chers auditeurs, euh, c'était le titre Unité de la formation Berekwe, comme l'indique le titre euh, de la chanson. Ce morceau a été produit par ce groupe euh, de rap composé de trois jeunes rappeurs nigériens dans le but de faire la promotion de l'unité africaine pour un développement durable en Afrique. Le groupe Berekoy, avec ses titres Unité, a eu à participer et remporter le la troisième place du concours africain dénommé Nescafé Revolution organisé en 2009. Alors, nous revenons encore une fois de plus avec notre invité, Ousmane. J'espère que vous avez aimé cette chanson. Oui, c'était sympa. <laughs> Mais pour revenir à notre sujet, Ousmane, tout à l'heure, nous parlions des usages que l'on peut faire de ChatGPT. Mais dites-nous, est-ce que l'usage de ces programmes pourrait avoir euh, potentiellement des impacts euh, dans le domaine de l'éducation Alors, ça a des impacts dans pas mal de domaines. L'éducation d'abord, parce que, comme vous l'aurez deviné, forcément, les élèves, ils sont partis, ils ont fait traiter des devoirs, des dissertations à l'application qui les a faites qu'ils ont amené à l'école, oui, à, leur place, ils ont été notés, certains plus ou moins passés. Mhm. Donc, c'est un vrai problème au niveau de certains établissements qui considèrent que l'IA, cette intelligence, elle est beaucoup utilisée pour faire du plagiat. Effectivement. Après, pour nous, les journalistes, ça pose aussi un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qu'il dit, tout ce que cette intelligence artificielle a dit, ben, il faut mettre beaucoup de guillemets. C'est pas forcément vrai, mais il le dit sur un ton tellement affirmatif quand il donne ses réponses qu'on a l'impression que c'est vrai, alors que souvent c'est totalement faux ce qu'il est en train de raconter. Et donc un vrai problème pour les élèves, un vrai problème aussi pour les enseignants. Cependant, il y a des établissements aujourd'hui qui essaient de voir dans quelle mesure est-ce qu'il faut s'adapter à ce nouvel outil-là qui est arrivé. Comment est-ce que les étudiants, les élèves peuvent le prendre en main et même les professeurs. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure une étude réalisée par euh, une entreprise américaine qui s'appelle Impact Research. Et donc, ils ont essayé de savoir, mais quelle est la proportion des élèves et des enseignants qui utilisent ce logiciel. Parce que nous, depuis qu'on a commencé à l'utiliser, on a l'impression que vraiment les élèves l'utilisent beaucoup pour faire du plagiat. Alors que maintenant, cette étude, même si peut-être que certaines études vont venir derrière pour confirmer ou pas. Mais en tout cas, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que 51%, 51 des professeurs interrogés disent l'utiliser, contre seulement 33% des adolescents à l'école. Donc on voit que bon, les enseignants aussi l'utilisent pas mal. On profite. <laughs> Et vous aviez aussi parlé de mid-journée. Moi, je, m'inquiète hein, pour les illustrateurs, pour les photographes. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact pardon, sur leur euh, alors oui, mid-journée, c'est aussi une haute déclinaison de chat on va, on va le dire. C'est cette fois-ci une intelligence artificielle qui, elle, va venir euh, vous lui demander ce que vous voulez comme photo, comme image, comme illustration, et elle va vous le sortir, euh, le décliner selon le style d'un artiste que vous aimez, etc. etc. Et bon, le souci que ça pose, c'est qu'on parle beaucoup de droits d'auteur parce que les artistes, ils ont produit leurs œuvres. Exactement. Donc, euh, OpenAI, ils sont partis lire euh, ils ont fait apprendre à leur intelligence artificielle comment imiter le style, par exemple, de Van Gogh, je ne sais pas, d'un peintre célèbre, et qui vient l'appliquer. En fait, retenez une chose, c'est que chaque fois, quand vous partez sur un site, quand vous voyez, par exemple, le petit code la recaptcha, souvent on vous dit euh, de cliquer sur toutes les images pas robot. oui qui, qui montrent une bicyclette par exemple si vous n'êtes pas un robot mais chaque fois que vous le faites en fait vous contribuez à rendre plus intelligence plus intelligente, une intelligence artificielle quelque part. Une dernière question avant de vous dire euh, au revoir Ousmane. Quelles pourraient être les dérives potentielles de l'usage euh, de ce programme Alors, les dérives, pour tous les programmes informatiques, il y en a, c'est que ça peut être utilisé évidemment à des fins malveillantes. Donc il faut vraiment faire attention parce qu'aujourd'hui j'ai vu dans beaucoup de forums ChatGPT, par exemple, il est utilisé pour trouver des failles informatiques sur des sites qu'on peut exploiter ou sur des, sur des applications. Et avant de rentrer au studio, je lui avais, pour vous montrer que vraiment euh, l'outil n'est pas crédible à 100%, mhm. quand vous l'utilisez chaque fois, essayez de lui poser des questions sur des sujets que vous maîtrisez. Mhm. Par exemple, en rentrant au studio, je lui ai demandé Que penses-tu du studio Kalangu par exemple mhm. Et donc, comme réponse, je peux la lire. Et donc, il m'a dit euh, En tant qu'IA, je n'ai pas de préférence personnelle ou d'émotion. Cependant, je peux vous dire que le studio Kalangu est une organisation de médias basée au Niger qui vise à fournir des informations fiables et crédibles aux Nigériens, aux fonctionnaires d'Afrique de l'Ouest. Ah on est d'accord. <laughs> on est d'accord, bien sûr. Mais après, je lui ai ah. demandé Mais euh, c'est bien beau, mais qui est le rédacteur en chef du studio Kalangu D'accord. Et donc, il faut aussi retenir que toutes ces infos qu'il a, elles datent, elles sont limitées, elles s'arrêtent à partir de 2021. Et donc là, il s'est totalement trompé. <laughs> donc, <laughs> il dit qu'il est désolé, mais, mais qu'il ne dispose pas des informations réelles. Et il me dit que, en fait, Studio Kalangu a été fondé en 96 et que <laughs> le rédacteur en chef du Studio Kalangu c'était eh ben Là, si c'était un devoir, euh, je pense. Voilà. Donc, essayez vraiment de le titiller parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va aligner des mots de la façon la plus pertinente pour lui. Donc il faut toujours tout vérifier. Merci beaucoup Ousmane. <laughs> Merci infiniment Ousmane pour votre disponibilité. Restez avec nous pour suivre notre rubrique hebdo. Oui, c'est nous, car c'est l'heure de parler d'éducation. Aujourd'hui, on parle des activités pratiques euh, et productives, APP, dans le programme, euh, dans le programme scolaire et surtout euh, à l'école primaire. Cette matière hein, permet aux élèves de découvrir l'usage et l'utilisation de certains outils ou de certaines techniques à travers des pratiques ou des sorties de terrain. Et c'est pourquoi, selon Antoine Prosper Capochichi, un spécialiste des APP, il est nécessaire de réintroduire ces programmes pour le bien des apprenants. Les APP figurent au programme. Ce qu'on fait le plus souvent, ce sont des activités de tissage, de vannerie, et le jardin, pour un peu changer le milieu à l'école. Bien au-delà de ça, les APP aussi doivent être un peu le reflet de la vie à l'école. Quand on prend un peu le milieu rural, on peut faire euh, appel à une personne ressource, dont notamment le forgeron. En dehors du forgeron, s'il y a un tisserand. Toutes ces personnes peuvent être sollicitées pour venir montrer aux élèves comment est-ce que euh, on peut apprendre leur métier. Et l'élève, l'élève qui a le temps peut encore prolonger son week-end chez celui-là. En milieu urbain, il y a des opportunités telles que les tailleurs, les coiffeurs, les réparateurs de motos, de voitures, de portables et autres là. Toutes ces personnes peuvent être sollicitées à l'école. Puisque l'école ne doit pas être tout simplement un lieu d'enseignement de savoir. À l'école aussi, on peut ouvrir l'opportunité aux élèves. Qui sait? Peut-être même que ce jour-là où la démonstration est faite que l'élève pourra avoir le début du tact, oui, la motivation réelle en tant que tel. Aujourd'hui, est-ce que les écoles dispensent ce programme Le constat par rapport à la réalité des APP aujourd'hui dans les écoles, c'est que les APP sont vraiment abandonnés. Parce que depuis un certain temps, avec les programmes rénovés, entre là, les APP sont laissés pour compte. Voilà le constat réel. Rares sont les écoles dans lesquelles vous allez venir voir les APP. Sinon, les seuls APP que vous allez voir de nos jours, c'est les gendarmes. Oui, le jardin, ce n'est que vraiment la chose la plus facile. Chercher un grillage, faire des planches à arroser. Or, c'est pas seulement ça la l'APP. On dit activité pratique et productive. Il faut, il faut aussi bien au-delà de ça. Il faut apprendre à amener l'élève à, à aimer un métier. Hmm, parce que l'école en tant que telle, l'école c'est juste un outil de la vie. C'est pas tout le monde qui réussit à l'école. Je dis savoir lire, écrire, déchiffrer, compter, c'est ça, c'est ça, c'est ça le plus important. Selon vous, comment faire et promouvoir les activités pratiques et productives. Pour trouver les solutions, il faut nécessairement calquer la vie du milieu à l'école. Qu'est-ce que j'appelle calquer la vie du milieu à l'école Si c'est un milieu rural, il faut faire des rencontres avec les parents pour leur demander par rapport à leur vie quels sont les métiers qu'ils veulent qu'on vienne montrer aux élèves en, APP. Voilà. Je pense que quand on arrive à calquer la vie du milieu à l'école, vraiment, il n'y a pas de problème améliorer aussi c'est possible. Il suffit tout simplement de cours des réunions de COGES qu'on puisse poser le problème. Une fois qu'on pose le problème, les parents vont donner leur avis. Voilà. Maintenant, à travers les partenaires de l'école ou les partenaires des, localités ou des régions, on peut poser, on peut, on peut faire vraiment ce qu'on appelle le TDR, motiver le partenaire pour qu'on puisse trouver le financement et sans nul doute faire réaliser encore un peu le rêve. Quoi. Parce que les partenaires peuvent venir volontairement sélectionner des élèves hein, qui vont aller apprendre des métiers et qu'après eux, ils vont venir aider, ils vont aider à travers le matériel. C'était Antoine euh, Prospect Capochissi, spécialiste de l'APP, interrogé par Abdulmoumouni Ali Niali, que nous aurons le plaisir de recevoir tout à l'heure dans ce studio pour la culture linguistique. Mais avant ce nom, nous allons encore une fois de plus souffler en musique avec Sony Mosoyi du groupe musical Tempête du désert. Sony Masoyi, Aime-moi mon amour, c'est le titre de cette belle sonorité musicale que vous venez de savourer, une chanson hein, à travers laquelle l'artiste Hadiza du groupe Tempête du désert évoque le genre d'homme qu'elle souhaiterait avoir dans sa vie de couple. D'après elle, les hommes élancés sont ses préférés. <laughs> Hadiza <laughs> Mamman est une chanteuse originaire d'Arlit, au nord du Niger. Et avec son groupe Tempête du désert, ils sont auteurs de l'album intitulé Tabastaka qui signifie cousinage en Hausa. Sinon, à présent, il est temps de faire voyager nos auditeurs et aujourd'hui, nous vous invitons à Douti, dans la région de Dosso, où le commerce des jeunes filles de cette localité entrave parfois la bonne marche de leurs études. Oui, Fanta, le sociologue euh, Mahamadou Adamou euh, se prononce euh, à ce sujet. Il est au micro de notre correspondant Abdelaziz Dayouma. Le phénomène du petit commerce des enfants et des filles en particulier date de très longtemps dans notre communauté. Je reviens pour les filles particulièrement, parce que les mamans à l'époque, pour préparer les filles, donc pour euh, faire leur équipement de leur futur foyer, donc la fille, on l'a fait faire euh, un petit commerce et au fur et à mesure, on, on fait son équipement, on achète des tasses de ceci, en tout cas tout ce qui pourra en tout cas garnir sa future chambre. Mais aujourd'hui, le phénomène s'est encore aggravé davantage, je dis, je m'excuse du terme, parce qu'on fait ça à outrance. Donc les filles, on les voit traîner des tasses parties de ceci. Euh, pour qui qu'on est d'outils, en tout cas, on vit ça, les filles, à perte de vue, dans les rues. Et cela n'est pas sans conséquence quand même pour, pour leur avenir. Quels sont les risques auxquels les filles sont exposées Elles sont exposées à plusieurs dangers. Donc elles sont souvent victimes de viols, d'enlèvements et que sais-je encore. Cela n'est pas de nature quand même créer de la calmie dans la communauté. Oui, mais où se situent les responsabilités Au point de vue responsabilité, d'abord, il y a la responsabilité des parents qui est engagée, parce que c'est leur maman qui leur pose ces petits commerces. Et sans oublier quand même que ces filles-là sont en train de courir des risques, des risques énormes. Euh, parce que quelqu'un sent ce qu'elles vont rapporter par rapport à, leur vie. Donc vraiment, on appelle les parents à revoir leur copie, n'est-ce pas, pour chercher d'autres sources quand même, même si c'est pour équiper leur fille. Car il y a d'autres chemins qu'on peut emprunter, c'est pas seulement les exposants, donc dans le avec les petits commerces que cela peut se régler. Maintenant, la deuxième responsabilité, elle revient aux autorités. Donc j'ai dit les autorités académiques, les autorités coutumières, et les autorités administratives. Est-ce que le commerce euh, des filles a un impact sur la scolarité de la jeune fille Les filles, là, en grande partie, sont des scolaires. Et quand elles s'absentent de l'école pour le petit commerce ou bien quand elles, ne sont pas performantes à l'école, on doit interpeller. Donc l'enseignant en question doit interpeller les parents pour que cela cesse. Quant aux autorités donc, administratives, elles voient ce qui se passe donc on doit interpeller donc à travers d'autres canaux, parce qu'il y a des ONG, des projets qui interviennent dans ce cas-là pour sensibiliser les parents. Arrêtez ça, ce n'est pas intéressant. On doit faire autre chose pour que ces enfants-là réussissent. C'est surtout des filles, Ce qu'on dit éduquer une fille, c'est éduquer toute l'humanité. Donc vraiment, on ne doit pas perdre de vue ce phénomène. Et on doit associer les, les autorités coutumières on doit les associer. Que le phénomène-là, il n'est pas seulement en ville. On peut le trouver aussi au village. Oh donc, c'est en ce sens-là qu'il faut impliquer donc, toutes les autorités pour qu'elles agissent et pour qu'on puisse être à l'abri de ce phénomène. C'était le sociologue Mahamadou Adamou au micro de Abdelaziz Dayouma sur un sujet aussi important que la scolarisation de la jeune fille. Abdelaziz Dayouma qui est d'ailleurs en ligne avec nous depuis la ville de Douti. Abdelaziz Yane. da dama muna lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. allo. Allô, oui. Ah, voilà. <laughs> Il est toujours là avec nous. oui, oui, na ci menene ya tura ka ga zaben wannan jigon? Eh, ko kun san eh, wannan harakar kasuwanci na yara ƙanana mata abu ne wanda ah, ake gani shina nan shina ta bunƙasa shina ci gaba. Alhali kuma shina da hatsari kwarai bisa kan rayuwar su waɗannan yara ganin irin abubuwan da aka lissafa ke amkuwa gare su. Mhm. ‘Yan mata kaɗai ne ake sawa cikin wannan talace-talacen da ke su zuwa karatu? A'a ba ƙyan mata ɗena ba har da maza ana sa amma kun san yau cikin harkokin duniya abin da ya shafi mata kamar ya haɗu ka hankali. Mm. To ko akwai ababen da abokanan hulɗa ko kuma hukuma ke yi don gwagwarmaya wajen eh, ci gaban karatun 'yan mata? Eh, ana ana eh, da dama kamar musamman yanzu aka ɗauka bisa ga wanga da aka lissafi a gani kamar eh, wannan saide shi na ta matsala zuwa ga karatunsu akwai eh, kamar tarurruka da yawa da aka yi musamman ma kamar ma'aikata da ke kula da kare hakkin yara da ta yi shirye-shiryen taruka da dama inda ta yi waye ma masu anguwa shau da da kuma wasu magidanta kan bisa Eh, mhm. hatsarin da waɗannan yara eh, suke nan suna zuwa wannan talla da kuma irin taɓarɓarewar karatun da ake iya samu bayan haka nan ma eh, komin mata bara ta yi wani taro na cadre de consultation inda aka yi wannan zance kakana za a yi a dafa da an gani ka makuwaye mata su ne ke sa su suna wannan ta kaga za a yi a dafa musu don saboda su samu wasu hanyoyi na samun arziki karatu. Eh kwanakin baya ma kun turo mana wani rahoto akan harkar parenage kin nan da shi ma an yi shi ne domin ci gaban karatu ya mata ko? Eh parenage eh, na tsakanin 'yan dogon duci da 'yan orsai can france ko Eh. Eh shi ma an yi shi domin a bunƙasa karatun eh, yara gaba ɗaya kuma musamman ma kuma na iya mata. Mhm. To shi kin yaya ne yake tafiya? so eh, kamar ana yin shi kamar fare na wannan ya shahi yara waɗanda 'yan primer ne waɗanda kamar su kai eh, aji na biyar cmn kenan mm-hmm. eh, suna kenan aka baɗa musu kamar abokan hulɗa can faransa suna kai ka ba da labarin labarin ka da labarin gidanku da labarin karatunka su tura ma ka can faransa kan shi turu maka labarin shi ku yi ke shanje kenan kuna samun labarin juna kuma Voilà, merci beaucoup euh, Abdelaziz. Fanta, c'est l'heure du sport. Mais d'abord, on fait une petite pause et on revient juste après, c'est nous. Sans souci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà comment annoncer Fanta, nous allons prendre le sport. Oui, c'est nous. Et aujourd'hui, c'est notre chroniqueur sportif Gourouza Asumi Karimou qui vient nous édifier sur l'actualité sportive. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour euh, Fanta, bonjour nous. Bonjour Gourouza. Alors, euh, quoi de neuf ce matin oui, effectivement, c'est nous. Euh, pour le compte, on va parler euh, du euh, championnat Super League du Niger. Pour le compte de la 14e journée à Niamey, l'AS Douane a disposé de Liberté FC sur le score d'un but à zéro. Au stade municipal de Zender, Espoir FC s'est imposé face à l'Union sportive de la gendarmerie avec un score de 2 buts à 1. Au terme de cette rencontre, Ali Keita, notre correspondant, s'est entretenu d'ailleurs avec euh, l'entraîneur de l'équipe euh, vainqueur, Jimmy Bouli. On l'écoute. Je suis vraiment content avec euh, la victoire que nous on a eu aujourd'hui là. C'est pas facile parce qu'on est allé chez eux là, on les a battus là-bas D1. On est revenu chez nous ici encore D1 avec les 6 points. Au moins c'est bien. Il n'y a pas de secret ici c'est les travailleurs seulement qui payent contre contre police. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, c'est comme ça, nous, on va gagner ça encore. Ce que je veux dire à les supporters, je les remercie beaucoup. Et puis, il n'a qu'à continuer comme ça pour nous supporter. Même si on perd, il n'a qu'à continuer à nous supporter. Parce que le football, c'est comme ça. C'est le fair play. Voilà. Et euh, cette fois-ci, nous allons partir euh, hors de nos frontières pour les résultats des matchs joués en Ligue des champions de la CAF. Oui, Fanta, euh, le WAC de Casablanca prend la tête du groupe A de la phase de poule dans cette compétition après sa victoire vendredi dernier 1-0 euh, face à l'AS Vita Club. Al-Ali euh, Duker a remporté sa première victoire dans cette euh, phase de poule de la Ligue des champions africaine 3-0 sur les Camerounais de Coton Sport. Ce sont les Soudanais également d'Al-Hilal qui occupent la première place du groupe B après leur victoire mardi face au Coton Sport euh, sur le score de 2 buts à 0. Rien, rien ne va plus euh, pour le club camerounais. Groupe C, Raja de Casablanca a validé son ticket pour les quarts de finale face à Oroya AC de Conakry par le score de 3 buts à 1. Simba s'est imposé euh, face aux Vipers d'Ouganda sur le score d'un but à 0. Enfin, Fantas, c'est nous Malgré sa défaite 3-1 en Égypte face aux Amalek ES de Tunis, garde toujours la tête du groupe D. Merci Gourouza euh, pour, toutes ces informations. Vous allez rester avec nous pour la suite du programme. Euh, pas de problème. C'est nous. c'est l'heure du portrait du jour. Exactement. Aujourd'hui, euh, nous partons à la rencontre d'une tradipraticienne praticienne hein, du nom de Hinde Maman Gambo, comptable de formation. La quarantaine Hind exerce ses métier par amour des plantes, mais aussi parce que c'est son héritage. Aujourd'hui, elle a décidé de se consacrer uniquement à son entreprise. La valorisation des plantes à travers la pharmacopée traditionnelle nigérienne est l'héritage familial de Hind Mamangambo, une tradie praticienne. Encore au stade d'entreprise individuelle, elle espère un jour industrialiser les produits issus des plantes. Cette activité est un héritage que m'a laissé mon grand-père. Donc, euh, vu la situation économique, et puis l'idée des gens qui aiment le naturel, comme on connaît les plantes, pourquoi ne pas se lancer dans cette activité pour aider ces gens-là Comment est-ce que votre grand-père vous a légué cet héritage-là Il vous a formé pendant combien de temps Depuis mon bas âge, on partait au champ ensemble. Il me montrait comment on fait la cueillette, comment on prépare, comment on dose et à l'hygiène aussi. De là, j'ai bien capté tout ça là. Et maintenant, j'ai dit donc, en tant que jeune je ne peux pas rester sans emploi puisque j'ai une activité. Pourquoi ne pas la valoriser Donc, euh, suite à des formations au niveau de la Chambre de commerce, vraiment aujourd'hui, je suis arrivée à créer moi-même mon entreprise donc, euh, dans cette même activité. En dehors de la formation du grand-père jusque-là, j'ai pas reçu une formation spéciale dans le domaine de la pharmacopée, mais j'attends toujours et on espère. Vous voyez la Chine, l'Inde, ils sont très avancés dans le domaine de la pharmacopée. Mais nous, ici, pourquoi pas ici au Niger Ça fait combien de temps que vous commercialisez ces produits Donc, euh, ça fait longtemps, mais la création de l'entreprise, disons, ça a commencé à partir de 2016. En ces temps, on a commencé à moderniser un peu le produit. Avant, c'était des sachets comme ça. Et on compte améliorer aussi la qualité et l'emballage aussi de nos produits avec le temps. Vous avez des employés Non, mes employés, ce sont des employés employé temporaire comme c'est une entreprise individuelle, on a commencé mollo mollo, donc on compte recruter des jeunes avec le temps. Est-ce qu'avec cette activité, vous arrivez à subvenir à vos besoins Exactement, c'est pour cela que je dis il n'y a pas de sous-métier, puisque c'est une activité que j'adore. Je cherche toujours l'évolution de cette activité et en même temps vers l'industrialisation de nos produits. Donc cela veut dire que ça donne. Est-ce que vous avez l'aval du ministère de la Santé pour exercer votre euh, activité euh, Oui, j'ai un agrément par rapport à ça. Je n'ai pas de problème avec l'État. Au niveau des impôts, au niveau de toute réglementation, je suis à règle. On va passer au loti du jour qui met l'accent sur la consommation du kaolin ou Batogo en zarma ou bien l'aka en haussa. En effet, Fanta, au Niger et dans plusieurs pays d'Afrique, les femmes enceintes aiment bien consommer du kaolin et les spécialistes appellent cela géophagie. Et cette pratique ne passe en conséquence sur la santé de la mère et de l'enfant à naître, n'est-ce pas Reki Arimi et Samira Rouafi. affairage, affairage, affairage. affairage. un peu aigre c'est ce que j'aime le plus. Hawa Hé Hawa, comment tu vas Ah, Fifi, c'est toi Excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. Sinon, je vais bien, Dieu merci. Et de ton côté hum. Non, ce n'est pas moi. C'est mon sosie. Toi, quand tu manges ton kaolin là, tu n'as plus les idées claires. Et cela m'inquiète beaucoup. Tu sais, ma belle, je consomme cette argile parce que j'ai tous les problèmes du monde, vu mon état. Quel problème encore Vu mon état, si je fais une journée sans ce kaolin, j'aurai tout le temps une sensation de nausée. Et puis c'est le meilleur remède que je peux me procurer contre ces nausées à moins de coût, avec 25 francs ou 100 francs. Oui, je sais que ça aide contre les remontées acides et les nausées durant la grossesse, mais ce n'est pas une raison d'en abuser. Je n'abuse pas. Je consomme juste pour 200 francs par jour. Juste le temps de me sentir mieux. Oui, ce que tu juges pourrait te causer des ennuis de santé. L'accès de tout est nuisible. Non, n'exagère pas. C'est juste quelques morceaux. <laughs> Ouvre tes grandes oreilles. Le kaolin peut comporter des parasites qui peuvent se développer aussi dans ton estomac et donner des parasitoses et des troubles digestifs. Ah, il y a même des conséquences alors. Hum, mais toi là, tu n'écoutes pas, on dirait. Eh bien, sache que les spécialistes déconseillent la consommation du kaolin, notamment pour les femmes enceintes. Mais pourquoi Pourtant, c'est bon et ça sent très bon. Tiens, goûte un peu. Hmm. la Le kaolin peut provoquer de l'anémie chez le consommateur, c'est-à-dire un manque de fer dans l'organisme. Mais le pire, c'est que l'anémie chez la femme enceinte est déjà une potentielle anémie du fait de la grossesse. Imagine avec le kaolin encore ça va aller, ne t'inquiète pas pour moi, je saurai m'arrêter avant de m'anémier. <laughs> Il n'y a rien de drôle dans ce que je dis. La particularité du kaolin, c'est que plus tu en consommes, plus tu voudras en prendre encore plus. Ça va devenir une addiction. Tu commences à me faire peur là, vraiment. Il y a de quoi parce que je ne t'ai même pas dit les conséquences de l'anémie. Entre autres, il y a l'accouchement prématuré, un retard de croissance du bébé, et le pire, tu peux perdre ton bébé toi-même. Tu pourras trépasser pendant ou après l'accouchement. Subhanallah. Je ne sais même pas quoi penser. Entre le fait d'accoucher prématurément et le risque de perdre mon bébé, je voulais juste me sentir mieux le temps de ma grossesse. Eh oui, c'est la pire vérité. Donc méfie-toi et va te faire consulter pour voir dans quel état vous êtes ton bébé et toi. Hum, mon choix est vite fait. J'arrête à l'instant même de consommer ce kaolin. Et demain, j'irai voir mon médecin. En tout cas, tu as intérêt. Sinon, tu accoucheras d'un bébé généreusement couvert d'argile. <laughs> Vraiment, Vivi, merci. Merci pour ces infos. Désormais, même saluer Yao beaucoup beaucoup là, je vais cesser. <laughs> Ça, c'est entre vous. Ça me regarde pas. Vaut mieux l'éviter quand même. <laughs> Voilà, c'était là l'oti hein, des femmes du studio Kalangu, mesdames et messieurs. Alors, euh, c'était, n'est-ce pas, ce sujet hein, très très instructif euh, concernant la consommation de kaolin. Alors, nous allons revenir consommer encore euh, plus de la musique. Cette fois-ci avec cette formation que vous connaissez très bien, il s'agit bien de la Kalkanei qui nous chante ici Fada Atayo. On écoute. Fada atayo, Father atayo, Father atayo, Father atayo. Hey, come on, veux voir les fadas, tu n'as qu'à descendre dans le rue des Niamey, capitale du Niger. Tu verras les fadas où l'été est le roi. alberica du corps, le verre serviteur, le fourneau protocole, assisté des charbons. Et quand le sucre est absent, mon pote, voilà, ça zoupa, ça zoupa, ça zoupa, ça zoupa, ça zoupa. Mafaru farou, ma manese, la sedaga dungu chase. Zama zama sino, zama gadena tonno Fada, huorgida, atai, megida. Hakali de shayi, maipato bato kashashi, yashaka, yashachi chikachi wo lokaci yana tai ci suna tai watanni suna tai shekaru suna tai kana nan kana gani duniya tana tai tana barka baya jana aboci ka lura ka gane ka kawo hankali ka ka mai da shayi baya ka ka samu kanka e kan ya pala fada atai si bene e kan ya pa atai fada murad barmai atai si ga zarga asi ga zarga asi ga zarga asi ga zarga atayo Ataï naga de atai tai naga nere kwai naga ha kwai kwai naga day MC ragaita ingrama jacko Nip naga te tai naga nere Nip akana zu akana Bokul kanji ha bene bene naga kirbi Atay Man mantu dole no atai abdashai shekal salateyen one two one two le fléau qui prend toutes la cour à coup de coups quoi qu'il en coûte et chaque après chaque ne que de chaque de chaque taille faut pas boire le thé ni mandouan sous sous ni bongo d'or, bongo doro chini ni bongo doro bongo doro makonani bunda kubi bunda kubo makonani waina lalo waina lala matodani alahara alahara alahara mm. alahara ata isig zarga asig zarga asig zarga asig zarga wani wani sanna ile karkane ka hausa gasar ma faransi hay chora ma sola atayo ma sitala ni ma ha amin ha gin muradu chagal ni sudu ga kwai kwai zama fada ni barmai ga tani sai hay funai ni baga wajibi har wasai wa hangam zama fada ma ti kollai atai sin da nangu ni mo ni sin da koi kada atayu zu yan balara bai ga ha hama ikonde goyan to ma faida ma faida ma faida ma faida atai siga zarga asig C'était Fada Achayo de la Kalkanaï. Retrouvons le portrait de Hind Mamangambo, comptable de formation et qui exerce aussi le métier des plantes par amour. Il s'agit bien d'une tradie praticienne. La valorisation des plantes à travers la pharmacopée traditionnelle nigérienne est l'héritage familial de Hind Maman Gambo, une tradie praticienne. Encore au stade d'entreprise individuelle, elle espère un jour industrialiser les produits issus des plantes. Cette activité est un héritage que m'a laissé mon grand-père. Donc, euh, vu la situation économique, et puis l'idée des gens qui aiment le naturel, comme on connaît les plantes, pourquoi ne pas se lancer dans cette activité pour aider ces gens-là Comment est-ce que votre grand-père vous a légué cet héritage-là Il vous a formé pendant combien de temps Depuis mon bas âge, on partait au champ ensemble. Il me montrait comment on fait la cueillette, comment on prépare, comment on dose et à l'hygiène aussi. De là, j'ai bien capté tout ça là. Et maintenant, j'ai dit donc, en tant que jeune, diplômé diplômée, je ne peux pas rester sans emploi puisque j'ai une activité. Pourquoi ne pas la valoriser Donc, euh, suite à des formations au niveau de la Chambre de commerce, Vraiment, aujourd'hui, je suis arrivée à créer moi-même mon entreprise donc, euh, dans cette même activité. En dehors de la formation du grand-père jusque-là, j'ai pas reçu une formation spéciale dans le domaine de la pharmacopée, mais j'attends toujours et on espère. Vous voyez la Chine, l'Inde, ils sont très avancés dans le domaine de la pharmacopée. Mais nous, ici, pourquoi pas ici au Niger Ça fait combien de temps que vous commercialisez ces produits Donc, euh, ça fait longtemps, mais la création de l'entreprise, disons, ça a commencé à partir de 2016. En ces temps, on a commencé à moderniser un peu le produit. Avant, c'était des sachets comme ça. Et on compte améliorer aussi la qualité et l'emballage aussi de nos produits avec le temps. Vous avez des employés non, mes emplois, ce sont des employés temporaires. Comme c'est une entreprise individuelle, on a commencé mollo mollo, donc on compte recruter des jeunes avec le temps. Est-ce qu'avec cette activité, vous arrivez à subvenir à vos besoins Exactement, c'est pour cela que je dis il n'y a pas de sous métier, puisque c'est une activité que j'adore. Je cherche toujours l'évolution de cette activité et en même temps vers l'industrialisation de nos produits. Donc cela veut dire que ça donne. Est-ce que vous avez l'aval du ministère de la Santé pour exercer votre euh, activité euh, Oui, j'ai un agrément par rapport à ça. Je n'ai pas de problème avec l'État. Au niveau des impôts, au niveau de toute réglementation, je suis à règle. Merci Raila Tousmana pour ces beaux reportages. Fanta, à présent, c'est l'heure de la culture linguistique. Justement, c'est nous, Abdul Moumouni Ali Niali est avec nous dans ce studio pour nous édifier sur le terme autonomisation. Il est journaliste et traducteur en langue fulfulde Niali. Bonjour. Bonjour Fanta, bonjour Seni. Bonjour Niali. Alors, euh, que veut dire autonomisation Autonomisation, comme euh, défini dans le dictionnaire français, l'autonomisation est un processus par lequel une personne ou une collectivité se libère d'un état de suggestion. La personne ou la collectivité acquiert la capacité d'user de la plénitude de ses droits, s'affranchit d'une dépendance d'ordre social, moral et intellectuel. Voilà comme défini par le français. Alors, euh, hier, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Je pense que nos auditeurs voudront bien être édifiés sur l'autonomisation de la femme. Oui, Fanta, l'autonomisation de la femme, comme nous l'avons défini pour euh, l'autonomisation en termes clairs en français, l'autonomisation de la femme, c'est le processus de la prise de conscience et de développement des compétences de cette femme, c'est-à-dire que la femme acquiert une capacité d'agir de façon autonome et ne dépend de personne. Elle peut donc euh, s'émanciper ou se libérer du pouvoir et de l'influence exercée sur elle. Nelly, vous avez aussi prévu d'expliquer ces termes en langue bien sûr euh, fanta en langue fulfulde l' autonomisation c' heqitare no sigila duni fa hande mo dermum neɗɗo naabi en kawrital himɓe no tettina ko e mumen keɓa bawɗe ko nawtoro hakke mumen andal duni fa hande nawtorade ñeñal mumen e hikkimako mumen ganduni fa hande nde en daari ɓe belto rewɓe ɓen danni hande no durwa heƴitare keɓa ko humtira hajuji mumen voilà ce qu'on peut dire et on peut dire aussi que le studio kalangu œuvre pour l'autonomisation de la femme. Mieti Niali, merci beaucoup. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou tout simplement un message au 82 89 89 64. Sinon, il est temps de retrouver nos chers auditeurs. Oui, Fanta, car euh, dans cette émission, nous leur donnons aussi la parole. to inde am awdul mumne mo anniri imaji e ka har kala e lugaji to doro pel e kala ngu imen sauraro dum kuma imen nana beldum majjum imen sauraro dum kullum amma kuma de balde ma men nani um besdi dum wada awa guda daga karhe 11 zuwa 12 biyu minon min nana daidai ma ɗum yahar karhe 1 saboda keti do dum imin nana beldum majjum sosai kuma um senda um wada hulhulde um wada habire ha iyare dum men anda amma kuma minon imin nana belɗum majjum iji uni min sauraro ɗum ɗo tarmamuwa to min imi hinna ma'aikata ɗin sidiyo kalangu gaba ɗaya maɓɓe godiya kuma min giɗi ma ɓesa lokaci saboda mai sauraro ɗume na belɗum. ni ne sha'ibu na garin zaren labaran studio kalangu gaskiya na jan hankalin mutane sosai da ƙarko kuma yanayi saboda yana da wayar da mutane tsakaninsu sun sa yarurruka da dama wanda kaga sun sa yare hillanci zabarmanci kowane yare suna yi kenan kaga in ma baka ji wani yare kana jin wani amma na samun labaru wanda ke faruwa cikin ƙasa sosai ya kamata labaransu na marice su fara sa hausa farko saboda kenan tunda yarurruka ne masu amma su sa fara sa hausa yajin hausa sosai ቅርዚካ መክመድሩ ኣክሰርና ሳድርጋና ተና ሽርዮ ሽቤት እውን ነተግሙር ትለድተ ወርዳነ ግረስ ቃላሳና ኣቃላ እንሻዋለን ፌላ ፕላኒንግ ፋሚልያ ላሳንቲ እንቴን ላንቪሮንማን ኩሉ ኤዲካሲዮን ኣርተዊኒ ኩሉ ኣሞሳን ኣርተወንሳን እግራዛናና እንቴንቴና ሃትና ሰዋ ተግንደይ ቱስ ኣላፋዳ ዊኒ ኩሉንና ኣርተዊኒ እግራዛና ዋስናራ በሺቲን ኣድሻዋለን ፌላ ሓረካት ጅስቲስ ይስቢላን ፌላ ነማንደ ቸካውሻውን ደቃ ማራዲ ሁላቂና እልግስኒ ገኒስን ማለን ዛኪሩ እንደቅንያሜ bulagin tamkat ne tagatisin halima abubakar din uh, amdre ni hanshi suleiman ali sunana ahmed ilyas élève en classe de la terminale ayin au cs abubakar sule da tiroziri studio kalangu tana birge ni da shirye nata abin da ke de sama shirye nasu ko su karin in injan ma haraka ai lite contre la delinquance ina gida abubakar yakuba itidiyan ne shi a yami ibrahim na kuru ya yi wannan ra'ayi da kuke yi na karhe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na rana Ina rediyo kalangu ina jin daɗi da wancan shi da suke yi na karhe biyar shi ma wannan rediyo kalangu gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen labarun da suke bada a ra'ayi na kenan kuma sannan daga farko ina kira ku ma'aikatan geren rediyo kalangu da kuma sanisi da bajo da kuma gwar gidan bado da lawani mai goro gali duka ina jin musu da suna da kokarin saurari rediyo kalangu gaba Chers auditeurs, comme vous le savez, Studio Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, nos journaux en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Rafika Attaher, chargée de présenter le journal en français de ce soir. Rafika, bonjour. Bonjour Fanta. Alors, quels sont les grands titres de ce soir eh bien, pour les grands titres de la grande édition de 17h, environ 10 kilos de cannabis dissimulés dans un sac a été saisi mardi à Gaïa par la police frontalière. Nous y reviendrons avec plus de détails ce soir. Comme vous le savez, déjà le prix du Hajj 2023 a été annoncé hier par le ministère du Commerce. Cette année, il s'élève à environ 3 600 donc une augmentation de près de 10%. Vous aurez la réaction de quelques agences de périmètre. L'irage à ce propos. Et la partie magazine parlera de la situation socio-économique que vivent les communautés à Bankilare, dans la région de Tilaveri. Merci Refika, à ce soir. À ce soir. Merci infiniment Refika. Chers auditeurs, euh, nous sommes à la fin de cette édition Le Niger sur Kalangu Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et moi-même Ali Moukela Ousseini alias Seno 50%. Rendez-vous demain pour euh, un nouveau numéro avec Olivier et Salamatou. À la technique, c'était Amina Hassan et Adam qui à l'édition. Ciao ciao.